messieurs bonjour soyez les bienvenus sur Lacrosse TV comme ni leen Salut, événement américain de dañuy fexe ànd ak yéen seeti lay nag ñëw pour assister l'Africa Eco Race ànd ak ak TV alors comme nous dit, c'est image Angok, est venu nombreux pour assister encore euh, cet événement vous avez vu pas mal de journalistes la presse parce que comme des wax ni Africa c'est moins euh, médiatisé mais cette année on a vu une bonne présence euh, de la presse il y a eu aussi des stands gars yi ñëw indi bagages vraiment pour la douzième édition. Africa Race. ñëw alors voilà cette image c'est l'arrivée des motos nous sommes en France jaar Maroc Mauritanie jaar Saint-Louis du Sénégal sur les rives du lac Rose alors moment yi c'est des moments intenses des moments très forts parce qu'il y a la famille, il y a les amis, hein. il y a la presse, tu vois, les enfants, ils sont en train d'accueillir, en tout cas, euh, tous ces concurrents-là pour leur souhaiter la bienvenue. Alors nous sommes avec euh, Alexandre. Alexandre, c'est euh, l'Italien, le numéro 101, mon modèle premier. c'est un Italien, et ça a été dur, la nous 151, excusez-moi. Donc ça a été très compliqué pour lui, mais en tout cas, il s'est bien. Et voilà. Donc Race euh, l'Africa Lac Rose, c'est ça, c'est les motos, les voitures, les camions. Vraiment, c'était beau à voir euh, cette rallye. Nous, nous, euh, les motos sur les rives du lac Rose. C'est le bonheur en tout cas de ses concurrents, nous, Exi, lac Rose, sur l'Africa Lac Rose. Avec la Rose TV toujours. Hein. Alors vous avez vu aussi l'accueil euh, des populations. On a vu euh, les autorités locaux, les autorités euh, étatiques, ils hein, nous représentaient un peu l'État. Mais quand même, la fête était belle, telle sorte que il y avait une bonne ambiance au niveau du Rose sur l'arrivée 12e édition de l'Africa corais nous sommes toujours euh, arrivé moto toujours il y avait au moins une cinquantaine de motos euh, on m'a dit euh, ou 60 véhicules 29 camions et tout ce beau monde pour nous, la close en tout cas pour essayer de marquer encore les traces euh, du fameux rallye à euh, Paris-Dakar. Il y avait la présence de la Croix-Rouge aussi, il faut le signaler, la croix locale euh, de Niag, la croix mais aussi le commandant de la brigade de la gendarmerie de la croix avait fait un excellent travail. Et vous avez c'était un une bataille en tout, cas avec les motos. Hein. Ça n'était pas évident, mais on a vu les gens se féliciter, se parler. Ça montre que c'était pas aussi facile, en tout cas, de faire ce trajet, ce périple du euh, Dakar euh, Africa et Race euh, au la Vous avez vu l'arrivée du moto. Le 137 aussi était bien. Le 176, c'est un Polonais aussi. Alors il y a plus de 17 nationalités entre les Polonais. sénégalais. Hein. il y a aussi un sénégalais. On va revenir sur ce sénégalais Bokum qui a fait un excellent travail aussi, qui, qui est arrivé. Vous savez que l'Africa Express est l'essentiel c'est d'arriver. Voilà, voilà, donc euh, c'était ça. Et voilà l'arrivée des motos avec l'accueil chaleureux, toujours euh, des populations. Nous, ah, tous les amoureux de la moto, disent qu'on voit convoi accompagnent beaucoup hein, ah, de affaire une bande de trentaine de jeunes avec des motos, des scooters en tout cas euh, les, accompagner. Alors on a aussi euh, ce public, là hein, comme vous, le voyez sur les images, hein, c'était très chaleureux, la famille, les amis, les copains, voilà, c'est ça. Donc ça c'est les amis de Maud le seul Sénégalais qui était à moto, voilà, ami akir Nounou avec ses euh, ces jeunes habillés en t-shirt jaune, orange, pour vraiment magnifier les. Sénégalais très motivé, de hein. Donc euh, il est arrivé c'est il est arrivé en pleine forme. On a vu l'accueil de toutes les populations l'union avec des banderoles, des t-shirts euh, pour le féliciter. Pour... lui. Voilà, messieurs, dames, il s'appelle Alexandre, il est italien, il est le premier en moto, il est euh, numéro 101. Et voilà son arrivée qui vient de monter sur le podium de l'arrivée finale de ce rallye Africa Eco Race. Le numéro 106 sont très heureux en tout cas de venir euh, ici sur le podium de l'Africa Eco Race à Dakar. Eh bien, c'est Abdou Cham, le président de la Fédération sénégalaise de sport automobile, qui va lui donner son trophée. Sylvain Sister, il s'appelle. Et eh, je crois qu'il est, il est américain. Hein. Et voilà, donc euh, c'est l'arrivée des motos. Les motos qui sont fait pas mal de boulot pour y arriver aujourd'hui parce que c'est pas évident. Et que ses compatriotes lui demandent de, faire la photo, d'immortaliser ces événements. Ah, il revient, bien sûr, il revient pour le, podium euh, pour les, avec les trois, hein, évidemment. Voilà, ouais, il nous dit que voilà, c'est ça. Voilà le troisième en moto, c'est le numéro 100, il est anglais. Et voilà, bien arrivé sur le podium du Dakar Africa Eco Race. Et la compagnie de sa, sa petite femme sa fille voilà, ils vont arroser le champagne, <laughs> même sur la moto. Et lui, c'est Alexandro, c'est l'Italien, le premier de cette 12e édition de l'Africa Eco Race à Dakar, ici au Lacrose, et voilà, Mamadou Bokoum, le numéro 143, euh, son premier euh, Africa Eco Race, en tout cas, qui vient d'arriver. Ça fait plaisir de voir. Alors, il est sénégalais. Grand, il est sénégalais. Il est sénégalais. Non, non, il est Sénégalais. Bel team la Waouh waouh waouh, waaw Madou moo Waouh, nii. waaw est kii doomu Parcelles Assainies la. waaw vraiment il est sénégalais ñëw teew Sénégalais.

Je ne je m'attendais pas du tout à lu les c'est vraiment immense c'est énorme nga jàkkoontoon si bi. Euh, amoon na tuut mais sant yàlla yooyu yëpp fàtte naa ko lii sama xol bee nii fàtte naa jafe-jafe yëpp donc jafe-jafe amatul dañ wax zéro jafe-jafe contentement. waaw c'est la première fois c'est la première fois ma def ko donc c'est ma première participation pour Africa Ecores. euh nan nga ko préparé ci wàllu koom. Euh. c'était pas évident nag wax dëgg yàlla tout au début parce que am na ay nit yu bëri nga xam ne ñoo ma soutenir ma financièrement moralement am yenn client yenn sponsor aussi ñu ma si jàppale donc ñooñu tamit dama leen remercier bu baax a parce que mon da ngay def rallye sans sponsor c'est impossible donc.

comme la gazelle sous le désert. Vous avez attaqué, vous avez gagné, vous êtes bien arrivés Au Maroc, oui, on est en Mauritanie, non. J'ai En Mauritanie, j'ai fait que payer. Et c'est la première fois que vous l'avez fait Quatrième. Quatrième fois. Quatrième. Ah, euh, félicitations. Merci. Vous avez eu quelques difficultés, vous avez eu bah, euh, en Mauritanie, le sable est très très mou et très très profond. Ah, c'est ouais. C'est particulièrement moustané. Ouais. Et vous êtes dame Non, on est deux à y avoir participé. deux quand même, il fallait, hein, parce que c'était pas évident avec les garçons. Et euh, le fait d'arriver au lac vos émotions. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Voilà, les copains sont venus et, euh, on va euh, maintenant aller boire un cocktail et les pieds dans la piscine. Ça suffit. Et préparer 2021. On verra. Inch'Allah. Inch'Allah. Toutes nos félicitations et bravo encore. Salut. Voilà, donc, gis ngeen concurrent avec le sourire bounioué Denis dañuy bec parce que c'est un rêve mais aussi c'est un challenge vraiment arriver au Lac Rose c'est quelque chose qui est phénoménal vous avez vu euh, le public mode que de Modou sponsor parce que quand même il a porté le drapeau du Sénégal donc vraiment félicitations à, lui alors lui aussi c'est un autre team un team 100% euh, euh, sénégalais hein, malgré que c'est des, Français mais ils ont porté les couleurs du Sénégal alors ils étaient en boogie donc ils font partie des premiers premiers ouais et là, donc, il vient de monter sur le podium avec toutes les félicitations de, les, organisateurs, avec euh, euh, voilà, la représentante du directeur. Et là, c'est l'association qui l'a monté euh, pour aider les enfants. Ça aussi, c'est des gens touchants qui fait plaisir un peu. Et les enfants, ils sont venus l'accueillir si au podium pour voir que nous avons de la Là, c'est ça, l'Africa et c'est des moments intenses, c'est le plaisir, c'est le bonheur. Voilà. Bonjour, nous sommes sur euh, la Grosse TV toujours, ici à l'arrivée de l'Africa Eco 12e édition 2020, grâce à ce monsieur. Monsieur euh, René Medge, alors euh, on vous a vu depuis qu'on était petit, vous venez, on la cause avec cette euh, Africa Eco Rice, vous savez que c'est... J'ai pas, j'ai pas compté le nombre. Le Et, là, qu'est-ce que ça vous fait de marquer encore une deuxième étape ça, fait euh, toujours beaucoup d'émotions parce que le, le, la crosse, c'est la, fin de beaucoup d'aventures pour chacun et c'est une grande euh, récompense. Donc je suis toujours ému euh, à, l'arrivée au lacrosse. Ouais. Et là, on voit chaque année quand même, il y a des évolutions, il y a des innovations, il y a un peu plus de monde. Euh, comment vous faites pour arriver à compter tous ces gens-là pour qu'ils puissent croire à cette rallye bah, je, crois que c'est la réputation. On continue notre façon de voir et euh, ça fait que les, gens savent quoi trouver en venant avec nous et euh, je crois que c'est ce qui leur plaît. C'est du véridique, quoi. C'est de quelque chose de, de vrai, c'est ce qu'ils recherchent. Le fait que c'est moins médiatisé, ça vous fait ni chaud ni froid. L'important, c'est que les gens ils sont contents de participer. Ça, la grande récompense, j'ai toujours dit, c'est le sourire des gens à la fin de l'épreuve. Et c'est le cas encore cette année, où euh, tous les gens viennent me serrer la main en me disant c'est bien, c'est tout ce que vous avez fait c'était top, etc. c'est ça notre récompense. Est-ce que cette année, c'était comme tous les années où il y a des choses exceptionnelles, des choses qui vous ont marqué de plus, ou bien des choses que vous avez un peu regrettées cette année, des choses que vous avez Non, non, euh, non, on est, on est ravis parce que cette année on a pu monter à, euh, à euh, Et ça, c'est un grand plus dans le, dans le rallye parce que ça ouvre la porte à plein d'autres nouvelles traces. D'accord. Et donc euh, aujourd'hui, en 2020, c'est la 12e édition. Et maintenant, au niveau organisation sur cette arrivée, vous êtes satisfait quand vous posez le bilan Oui, bah, c'est la fédération qui s'en occupe et c'est toujours bien. Donc vous êtes content Oui, toujours ici. Bon, à ma voix et en tout cas de toute la population de, notre localité, nous sommes très fiers de vous voir parmi nous chaque année et que nous souhaitons se rallier encore, encore, encore avec nous. Inch'Allah, si Dieu le veut, et de vous rester encore ici. Donc, nous vous remercions beaucoup. C'est une fierté pour toute la population. Euh, et puis, c'est extrêmement intéressant. Nous avons fait une course internationale pour le Sénégal. Euh, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les, gens de Extrême E qui sont venus, qui veulent organiser une course internationale au mois de février 2021.

parce que lii moom teranga la pour teranga la pour ñun. exactement alors ren ren euh, suba boo ko doon xayma si wàllu organisation ak si wàllu concurrent yi dafa gën a jëm kaw wala dafa wàññeeku. non dafa gën a dem dafa gën a jëm kaw et puis surtout am nañ euh, catégorie moto catégorie SSV am nañ ay concurrent sénégalais. Donc, man, man tant que man yam ay concurrence sénégalais kay sama sama sama sama sama sama sama xel lay dal parce que ñun lool mo ñu fi indi ñun lu ñu bëgg moy mo am ay sénégalais yu daw exactement gis nañ ci concurrence sénégalais ñu population bi téer ko mais lim xawa gis moy autorité yi manam euh, tay ji ministre de euh, euh, de la création sénégalaise de Euh, du sport par exemple le ministre du sport waroon na pour teew ki nga porte tay Sénégal est ce que dafa doon tey tay non xam nga li am importance que les euh, les autorités soient représentées nous fédération nous sommes une émanation du ministère des sports. Donc, on le reçoit. Si le ministre pouvait venir, mais on a, on a, on a qu'à aller doucement, doucement. Événement, il en pleurs. Le ministre il va venir de lui-même. vai, vai. ça c'est